Euh, vous le savez, IPAR est, une, euh, un organisme de recherche qui travaille beaucoup sur les perspectives agricoles et, foncières. Il a entrepris un processus de recherche au terme, desquels, euh, au terme duquel il a identifié un certain nombre d'actions. Parmi celles-ci, il y a la vulgarisation des résultats de la recherche auprès des élus, des décideurs. Et c'est ça le sens de cette euh, rencontre. Madame la ministre a estimé que nous devions être constamment présents dans ce processus auprès de IPAR, parce que comme vous le savez, euh, le Sénégal, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président s'est engagé à éradiquer toutes les formes de discrimination, tant au plan juridique, social et économique. Nous avons fait des avancées importantes sur le plan juridique parce que dans notre corpus actuellement, il n'y a aucune disposition discriminatoire qui puisse être repérée. Par contre, au plan des pratiques et des comportements, nous avons encore des défis à relever, surtout au plan social et économique. Et sous ce rapport-là, la question de la terre est une question essentielle parce que, vous savez, c'est un intrant essentiel dans l'agriculture qui est un moteur dans le processus de transformation de notre économie. C'est pour cela donc que l'exercice entamé par IPAR visant à identifier les défis, les obstacles et les entraves à lever pour que les femmes puissent accéder effectivement à la terre en tant que propriétaire et exploitant au sens propre du terme est un enjeu important que nous devons engager et également que nous soutenons. C'est une euh, problématique extrêmement pertinente pour le Sénégal et même au-delà. Euh, la problématique de l'accès des femmes à la terre, à la terre productive, euh, en, particulier pour le cadre de ce projet. Et, disons que tout simplement parce que les femmes, ce sont des actrices euh, très dynamique dans la production agricole euh, et dans le processus de développement économique et social d'une façon générale. Mais également, la terre est un facteur clé dans la euh, production et c'est extrêmement important pour nous de voir comment appuyer les communautés en passant par les chercheurs pour trouver des solutions euh, sous forme de stratégie, sous forme d'outils, sous forme d'approche, euh, donc pour aider euh, à, vraiment concrétiser l'accès des femmes et leur contrôle aux fonciers, mais également leur accès aux structures et aux instances de décision foncière. donc c'est essentiellement ce qui nous avait motivé, parce que nous croyons que la recherche peut être un outil de développement économique et social parce que production de connaissances fiables sur la base de données probantes peut aider à éclairer les décisions, à également élaborer des politiques, des approches euh, qui peuvent donc faire toute une différence. Euh, lii ñuy doxal ba ñu commencé étude ba maak a ñu étudier ko Set ay pour set. ñi nga que ne li nga xam ne ak amu sont ci mais boo xoolee ne balaa projet bi di ñëw na na jigéen ñi ñàkke woon suuf ak bi projet bi ñëwee waroon na ndax comme ni nga ni nga ni nga wax euh, directeur cabinet li nga ko wax léegi li mu la wax léegi am nañu parce que bu ñu amee xam-xam wasaare ko yaakaar naa ne loolu day jur njëriñ te ñun ñii nga xam ne ñun ñoo newoon fii ci kaw biñ ñu formé dañoo wàccaat ci suñuy base wax ak jigéen ña. yee leen ndax dama ne ku fi ku ñime rek dañ la déey ndax boo boo xamee wàcc xamal say moroom bu yàggee senegal dina daj